Vous êtes euh, député sortant de, Saint-Louis, de la dernière euh, mandature, la douzième. On a entendu dire parmi les critiques qui sont revenues souvent, notamment de députés qui étaient de votre camp, disant que ces douzième législature n'avait pas travaillé. Aujourd'hui qu'on va vers une élection, vous êtes candidate. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce qui s'est passé euh, lors de cette 12e euh, euh, législature et qu'est-ce que vous, avez retenu Je pense qu'à chacun son appréciation parce que donc à mon humble avis, je pense que les députés de la 12e législature ont très bien travaillé. je, ne, sais pas donc qu'est-ce qui les a poussés à dire que c'est la législature la plus nue. Peut-être je ne dispose pas d'éléments qu'ils ont donc à leur niveau, mais en tout cas ce que je peux constater je peux dire que donc tous les députés élus ont vraiment ont noblement fait leur travail. Ils ont bien représenté le peuple parce que chaque député euh, est euh, donc euh, est venu d'une localité et je pense qu'il a bien porté les doléances de sa localité, les aspirations donc de, des populations sénégalaises et c'est ça qui est important. Maintenant, il y a d'autres qui peut-être qui euh, mesure l'Assemblée nationale, qui a évalué l'Assemblée nationale par rapport au nombre de propositions de loi. J'ai entendu certains consultants le dire, mais d'après Ismaël Major, euh, Major Fall, on n'évalue pas une Assemblée nationale par rapport au nombre de propositions de loi ou de projets de loi. Euh, aussi, madame, on sait que les, législatives qui, vers lesquelles on tend vont être farouchement disputé à Saint-Louis, qu'est-ce que vous, euh, député sortante, avez à proposer, à dire voilà ce que j'ai fait pour la, ville de Saint-Louis, pour la région de Saint-Louis, qui fasse qu'aujourd'hui je vous redemande à nouveau de voter pour moi C'est de bien représenter Saint-Louis et je pense que je l'ai fait euh, de manière intelligente parce qu'il y avait des problèmes qui touchaient vraiment les Saint-Louisiens. On peut en citer le problème de la brèche et je pense que donc ça je l'ai bien défendu il y a le problème des inondations de Saint-Louis, l'emploi des jeunes, le problème des femmes. Et donc, nous, on nous a élus pour porter ces, pour porter ces On ne nous a pas élus pour euh, donc, apporter des solutions, mais au moins euh, faire entendre la voix de nos populations. Et pour ça, on l'a bien fait, on l'a bien assumé et on a bien représenté Saint-Louis. Et je pense que donc, le président de la République nous a porté une oreille attentive et raison pour laquelle il a apporté des solutions par rapport à préoccupations que je viens de citer. Madame, la toute dernière question pour des gens comme moi qui sont étrangers à ce qui se passe à Saint-Louis. Aujourd'hui, on a vu comme s'il y avait une, euh, expression d'exaspération de certains militants. Et tout de suite, intelligente, vous, avez, vous les avez ramenés à leur faire comprendre qu'il y avait des sœurs et des frères qui, étaient ici, qui n'avaient pas de concurrence. Madame qui organise aujourd'hui aussi cette rencontre est allée dans cette même voie. Euh, au-delà de cette salle, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à ceux qui, à ceux qui vont voir ce qui s'est passé aujourd'hui en fait, euh, il faut noter que la politique euh, n'est pas une chose euh, facile. C'est toujours difficile parce que donc c'est toujours des problèmes qu'on rencontre sur le terrain et notamment des problèmes d'emploi des jeunes. Donc aussi les femmes qui constituent une couche favorable, défavorable, une couche vulnérable. Donc je me trompe, une couche vulnérable. donc tout ça, c'est des préoccupations à prendre en compte. Et vous voyez que donc on peut pas tout faire parce que Dieu, Dieu a fait le monde ainsi, il a créé le monde ainsi. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Donc tous les problèmes ne peuvent pas être résolus en un temps record. Donc euh, on essaie de faire aller, on essaie d'apporter donc des solutions. Le l'État du Sénégal aussi euh, essaie d'apporter des solutions donc aux difficultés des, populations, de soulager un tout petit peu donc certaines certaines euh, donc certains je certaines populations quand même donc certaines localités, l'État du Sénégal essaie donc d'apporter, de faire le mieux donc euh, qu'il peut, mais c'est toujours difficile. On entendra toujours des militants qui sont insatisfaits, donc des citoyens qui sont insatisfaits, mais ce qui est important et, l'essentiel, c'est toujours de continuer à travailler pour le peuple sénégalais. C'est de toujours essayer de répondre à leurs aspirations. Je pense que c'est ça qui est difficile et de le faire de manière honnête, de euh, manière tranquille, sans pression aussi. Euh, euh, c'est ça qui est important, c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que donc on a assumé nos choix, on a choisi de faire la politique et la politique de développement, non pour la, une politique de, politicienne, mais une politique de développement, une politique qui peut booster l'économie du Sénégal. C'est ce qu'on a choisi de faire. Maintenant, à chacun donc son appréciation, ses, goûts et ses désirs, ça donc le monde est en ses faits. waaw madame ci wolof dañuy tënk euh, fi ma daanalee laay laay yëkkatee sama question questionnaire bi ci salle bi pour ñin ñi nga xam ne dëkkunu fii dañoo ñëw gis nañ ci biir euh, ñi jël kàddu ñi jéemoon nañu ba meloon na ni genre kujje commencé wu ñu waye intelligente jëloon nga kaddu gi xamal leni fi ay mag ak rakk fi nek euh ñeneen ñi nga xamne ne tamit moy mooy euh, soxna si madame Amar mi organiser affaire bi wan na la ni lépp lu muy def fay déggoo ak yow donc ku jëwul xëccowul ak yow ci dara loolu lan nga mën am discours bi nga xamne ne nga leen mëna jox wandar donc effectivement j'ai pas terminé même euh, donc mes propos par rapport à cela en fait quand on parle de politique on parle de rivalité tout le temps de tendance et et je pense que quand on faisait les tendances c'était juste pour assurer une animation politique c'est ce que les anciens faisaient mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas maintenant des tendances. C'est une rivalité farouche des adversaires vraiment. Donc, euh, ken donc politique bobu, ndax mom yalla dimbali te ku ko jéem du sotti parce que si éducation bi la si éducation bi la te nit ñi amna luñu lu ñu jommal seen bopp boo ma jël cadeau wax lool amna man lumay jom di jom di yenn propos yi di tenir entre sama nawlé te nit do tax moom bolé mak mom ndax politique la parce que avant politique bi ñu doon doon dund après politique bi dañuy dundu parce que nak suñuy wajur yi yalla suturaaloon na len ba machallah yalla may nañu fi sutura donc su politique amé nga gis né dëkk yëpp ñi ngi xeex lu dul ndax ay xëccio parce que ki ñëw na donc donc kii sax dafay rivaliser ak yow soo nekkee nit ku ndaw donc doo gëm sa bopp te yàlla dafa def éducation bi ñu recevoir noonu dafa solide ba lépp lu ñuy dugg dañ ci gëm suñu bopp du kenn duñ ci xoqatal duñ ci ragal dara te dañ ko def de manière très disciplinée duñ ci am parce que am na loo xam ne soo ko defee wàññi sa bopp la te boo toppee yenn wax yi da ngay gëm loo xamante ni mooy yàq toujours diggante nit yi te nit ci boppam soo amee ay waajur yu nga xamante ni dañ la jaarale fu foo xamante ni yoon bu dëgër la mu nekk yoonu diine l'islam yoon boo xamante ni nii dañ lay gëmloo toujours sa bopp nga wekk aussi ci ki nga xamante ne mooy sa nawle lu melni nii du jaaxal bu yenn nit yi du ci ñàkk nak parce que aduna aussi ya de yaa dafa am nit yi nga xam yalla daf leen indi ci jamono pour ñuy mbugal nit yi daf leen indi tay buñu déwé dem aljana parce que ñun ñëpp yalla moo ñu indi toujours dama koy am sama ñaari yu ma leen waxee dama leen wax yalla daf leen créé pour ngeen di togn nit ñi sonal nit ñi lakkal ay nitu fitna lañuy doon mais aussi lolu moy def euh, le charme euh, du monde parce que buñu ñëpp yemoon duñu and c'est le bien qui qualifie le mal c'est-à-dire bu lu bon amul woon kenn du xam lu baax bu lu bon amul woon kenn du xam lu baax loolu yëpp ci cadre ci loolu lañ koy dugal ci cadre bobu lañ koy dugal lool moo tax ñun fuñu dem donc dañuy am la conscience tranquille fexé ba suñu relation ak nit doom adama du ko yàq. da nga bok ci député yi nga xamné ne ñoo 12e législature bi buñu ñu dégloo borom xam-xam yi ak ñi nga xamné bokko nañu ci député yoyu né nañu député wu 12e législature mu yéen doon député yu yes yi Sénégal mas am lan nga am pour tonto ci ñooñu. waa xam nga gis-giseenu àdduna dafa wuute te ku nekk ak ni ngay gisee mais man mi nekkee foofu giseewu ma noonu parce que li ma gis mooy que ni député yi nga xamante ni wóolu woon nañ leen seen askan wóolu woon na leen ba yabal leen assemblée nationale am nañ fa taxawaay bu rafet dafa fekkee ne nag xam nga tey Sénégal bu benn nit saaga est-ce que mën nañu wax ne Sénégal ñëpp dañoo yaraw di ko parce que benn nit moo a ah, déedéet nit kooku saaga moo yaraw di ko assemblée nationale c'est la même chose nit ki nga xam ne dafa am taxawaayu boppam boo xam ne rafetlu wuñ ko kooku moom moom moom moom la moom la incombé mais dañ koy généraliser beneen bi ci topp mooy que xëy na ñoom am na yu

état du Sénégal ñi ñëpp li ñuy liggéey Sénégal moo leen tax a jóg te loolu moo am solo te jàpp naa ne aussi taxawaay boobu nga xamante ne nii député yi am nañ ko pour liggéey Sénégal boobu ñoom defoon def nañ ko ba mu mat sëkk parce que dañu jógee seeni askan ñëw indi ay doléances te doléances yooyu député bu ci nekk ci localité bi nga jógee porté nga ko noblement et dignement wax nga ko fa nga ko war a waxee beneen mbir bi mooy que ni député yooyu nag du ñoom ñooy saafara problème yooyu ñoom dañ leen fa yóbbu pour ñu yóbbu ay yóbbante yóbbante yooyu ñan koy jotal ñi nga xam ne ñoo ko war a jot muy état du Sénégal jot nañ ko bu ma jëlee tey kaawu Saint-Louis par exemple lu mel ni brèche bi dafa nekk loo xam ne daf ñu yëgteel lu mel ni emploi des jeunes dafa nekk loo xam ne daf ñu yëgteel lu mel ni financement des femme daf ñu yëgteel loolu yëpp état du Sénégal déglu nañ ci wax nañ ko fan ko wax waxee ñu ci mën a indi indi nañ ko ci te tout récemment président de la république ñëw na fi gis nañ ñu li nga xamante ni dégagé nañ ko pour indi ay solution ci brèche boobu jàpp naa ne taxawaay bi ñu fa waroon a taxaw taxaw nañ ko bu baax a baax